30 mai 2023, chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangou que vous écoutez à travers nos médias partenaires. Je suis Salamatou Kadri Alès Sali et à mes côtés, Rabia Meikano. Rabi, bonjour. Bonjour Salamatou, ça va Ah, je vais super bien, Rabi. La technique est assurée par Abdelkader Chambiano et l'édition par Raylatou Soumana. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour nos auditeurs, Rabi Salamatou comme toujours à nos fidèles auditeurs, nous offrons un programme bien garni en informations et divertissements. Et nous recevons Asumana Amadou Aboubakar, connu du grand public par le nom de Maimouna Baba. Il est comédien et TikToker. Puis nous terminerons avec les messages de nos auditeurs. Salut, n'oublie pas, notre playlist d'aujourd'hui va rendre hommage à quelques-uns des plus grands euh, orchestres nigériens. Suivez-nous pas à pas. Chers auditeurs, nous commençons cette euh, émission. Chers auditeurs, nous commençons cette émission avec le flash d'information présenté par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Rabia Mekano, bonjour Salamatou Kadri. Flash d'information à présent. À l'Assemblée nationale, les parlementaires nigériens ont ratifié hier le protocole instituant la commission climat et la convention créant le fonds climat du Sahel. La commission climat Sahel a pour objectif global la mise en œuvre des initiatives et d'actions pour adopter des réponses durables aux effets des changements climatiques dans la zone et, pour, le Fonds en climat Sahel est l'outil opérationnel financier du plan d'investissement climat pour la région du Sahel qui, selon l'expert est, l'une des régions les plus exposées aux effets des changements climatiques. Les membres de l'interprofession du secteur de l'aviculture du Niger ont repris leurs activités un peu plus de quatre mois après l'annonce des premiers cas de la grippe aviaire au Niger. Selon le président des producteurs avicoles, des nouveaux sujets sont à leur disposition et la production des œufs et des volailles a repris. Cependant, jusqu'à présent, ceux qui ont perdu leur cheptel n'ont pas encore été dédommagé au vu de la longueur de la procédure. Par ailleurs, pour stopper la piscose liée à la maladie, le président de l'interprofession Cheibou Gauri estime que les autorités ont le devoir d'annoncer la fin de la maladie. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, PhD Mahmoud Jibo, a lancé lundi 29 mai à l'Université Abdou Moumouni de la 13e édition du concours national de plaidoirie en droit international humanitaire. Ce concours est organisé par le Comité international de la Croix-Rouge en collaboration avec la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Niamey. À travers cette activité, le CICR veut faire la promotion du droit international humanitaire en encourageant les universités à offrir des cours, des plaidoiries et des conférences en lien avec la thématique. C'est tout pour le flash d'information de ce, mardi 30 mai. Passez d'agréables moments en compagnie de nos collègues Rabia Mekano et Salamatu Kadiri pour la suite de votre émission Le Niger sur Kalangou. Merci bien Mokhtar pour toutes ces informations, chers auditeurs. Notre invité est Assouman Mahamadou Aboubakar, dit Memouna Baba, comédien très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Bonjour Assouman Mahamadou. Bonjour Abi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, bonjour Maïmoun Baba. Bonjour. Mais avant de vous donner la parole, nous allons d'abord écouter notre première balade musicale et à tout seigneur, tout honneur, dansons sous le titre Fidélité du groupe Tal National, l'un des groupes les plus emblématiques de la capitale. Colombo. en 2000 sur le modèle des orchestres nationaux du Mali et de la Guinée, le groupe a joué aux quatre coins du pays avant de remporter un franc succès dès la sortie de son premier album Apporté en 2006. Un album qui lui attire cependant les foudres de quelques religieux irrités par les paroles de certains titres magnifiant les rondeurs de la femme nigérienne. Qu'importe, le tal national continue de chanter les femmes, les femmes de Niamey les albums Anawaya 2008 et Kani 2011 le consacrent comme l'un des groupes phares du pays et lui ouvrent déjà quelques scènes européennes. Une qualité de production internationale pour une musique puissamment locale, hypnotique, parfois à la limite de la trance. C'est le moins qu'on puisse dire.

cette pause musicale, retrouvons notre invité Asuman Mahamadou Aboubakar, dit Maimouna Baba, comédien. Et avec nous aujourd'hui, nous allons parler du métier de comédien au Niger et l'apport dans la culture du pays. Maimouna Baba, Matano. Ça va, Matano Goti. Alhamdulillah. Ça va bien. To, Maïkati Maimouna Baba. To, Maimouna Baba, Dei Borno, quand il est trop ouvert à Bafo, et je suis élève comédies, euh, ça, ça. amanga kai sentin la comédie mm-hmm. to tu élèves en quelle classe je fais la terminale D Terminale D Oui. Ah, ah c'est les matheux. <laughs> Le nom Maïmoun Baba, c'est lors d'un film. On est au tournage. Euh, j'aimerais appeler ma femme. J'ai pas le nom que je peux appeler ma femme to ai bongorai ga bai mudu mai kan dai ne wanda ce borai ga haru to kulu ai la sabu la sabu ai wo kan kai ai bongora naturellement le mot le nom maimuna la wallahi wo mambai mat kate kafa ai ne maimuna nya inga mo ma fam directement ani maimuna baba no de no mayo fun ils sont une sorkinga une sorkaiga mais c'est ta femme dans le film hein? c'est oui, pas ta... ma femme. OK t'es pas vraiment non, mariée c'est maimuna maimuna là c'est pas c'est pas ma femme hein tu es mariée ou pas Non, je ne suis pas mariée, c'est ah, dans le film. <laughs> C'est dans le film, oui. <laughs> c'est ce que je veux dire. Oui. Ok, mais je voudrais bien savoir comment vous avez atterri dans la comédie. Bon, la comédie, moi, je ne sais pas. Hein. Ça, ça, ça, vient comme ça naturellement parce que il Kwara, des quoi c'est Borakul Simakani. Thank you no ici fuyen bor ma kani de quoi classement yadi no Lors de la récréation de bor morgu margu ay ni bindo dirga fakari mi dirga fakari bor c'est même dira. C'est ça ya no ay du comédie. Ay wes ba hal de ti il faut bor haru bor ma cani moi je sais pas hein, parce que si je regarde même sur les réseaux borao agoti ay fokan ayo gidi se ase haran parce que moi je peux donner plus dangan godi kan amon tono voilà oh ay gidi ka ay wo kan hinga te borao asinga te quoi OK to sig bin bay tu es élève et comédien mhm. notamment sur les réseaux sociaux comment tu arrives à, à jongler entre les deux afo sigin gangi afo bon ayo gmil kan faire la comédie et d'être élève asinga ganja il faut parce que ay kul aniano mm tant que tu as la passion de la chose, dole Oh, ni gate. di dit, hala ga hinga ifo gagner, c'est parce que aigo aigo ga chawyante et puis comédie comédie aussi Okay. kan ni ni ni ni goyo no ne gono kai gote ay sai kulte wala no voilà parce que comédie borga pour se distraire moi même hein, parce que le fursa kulla ra dan muna ki faina yi turgusu yakin yakin ay wai kanu ai dan contre wala ah ai kanu ay may bon ay may bon sokon ay boy harandi aban et ça passe ni bon non ni harandi ol ni harandi ah ayo mon bay mi halegi wore harandi kan ton ton me o wa ton tege bay to han fono parce que may higandi école école ner koy kan ay koy école de la soirée il fait ce copier 11 115 CPC a na adina i sara ai ka fu yan kula ina cura siga ese portable ka er mo koy ir furubin dora ago sam ago film aini amay gan hinne am sala amay gan hinne nabi bina hasara o aini ayo ikol ayo imay kambo ayo imay higen avec on son quinze man koy so so aichi ay kain imay higen imay directement ay partager ay dans tiktok ayo matalo ninteda aina tedai no ayo de téléphone avec un téléphone ayo ero hangan kay mamami non ninteda ay kan ay ay no portable ay ni ay karkar porto albura ni baba wai hijandi di hijan mat kan bore ge da da man bore hijan bore te ai ni mat window to yo ken da reza réseaux sociaux kay na dan tiktok eh même pas deux heures go ir ine hawe hala wolle wo mon bay kayna te hala ngi bore harani to wodi no nay motive ay sinti la comédie okay ya daga won don bore harani wodi no wodi no mon bore wasa <laughs> Avant de continuer avec vous, Maïmouno Baba, nous allons en musique. Rabi, manga nirgogo koi hey hey tubalodo nirgogo koi salmu <laughs> vous l'avez bien deviné c'est le titre Tubalo car un son que je dédie à tous les dos soleils qui nous écoutent en ce moment L'orchestre Toubal est une formation musicale créée en 1995 par le docteur Ousmane Yaye et ses amis. C'est en septembre 1997 que l'orchestre se, se révèle au grand public à l'occasion d'un grand concert au Palais des Sports de Niamey le tambour guerrier de Dosso a pu mettre à la disposition de ses fans une musique à leur goût. Les Nigériens sont réveillés un bon matin par la voix du Sahel sur les rites endiablés d'un orchestre sorti de nulle part. Mais c'est pas sorti de nulle part parce qu'il vient de Dosso. bel compte à son actif deux albums, Gozambiro et Katiboto un des opus, en plus d'un opus en hommage au chef d'orchestre Hassan Isaka du dernier décédé. La mort de dernier en 2000 sonnera le glace du groupe. À partir de cette série noire, beaucoup pensaient, à raison, qu'en enterrant dernier, être annulé du groupe, c'est l'orchestre Toubal qui disparaissait. La bande de Moumouni se remettra au travail et sortira un album dédié aux fins avec le titre Hommage à Dernier. Mais hélas, cette deuxième monture ne fera pas long feu. du grand orchestre Toubal de Rousseau que le feu dernier repose en paix. Retour au studio avec notre invité du jour pour la suite de nos échanges. Maïmouna Baba. Oui, salut. Maïmouna Baba, un TikTok bon. Mhm. Écoutez-moi Facebook ou YouTube. Bon, TikTok aina soubano parce que no din no din vidéo étant iktarga furo. Iktarga passé. Tant que non har hanote o iktarga dia o wadin sino ay choisir tiktok eto bore mo gona kan su goida tiktok bon sans ay vid ay vidéo ay tagay ki go te youtube no maimuna baba tv tu as une idée de tes abonnés sur ces réseaux sociaux nombre d'abonnés kan gonisi oh maintenant j'ai 65 000 okay. d'abonnés sur TikTok. Oui, sur TikTok. Barka, c'est bien ça. <laughs> Toi, Donc, sans un TikTok bon. C'est lucratif, ça, ça paye ou le Haikul nasino. Badala. Badala. kalgin da farganiya wallahi ne gadi ga kowa ga kurruno boriyan wa isidiya do bai raifa i gadi boriyan hey hun kuno nan kai irto bani go wazuno igin wa fa wallahi din te alfaga din te pasteur wallahi gin wa en plus forte raison ir kan ga gir comédien te borem du ga har ibar foyan wa askani sen bon im di ir o oh, wallahi dala follo irsudu wara sur tiktok on trouve rien wallahi Et vidéo de ngodi wallahi je fais ça avec téléphone ñamay manta fo ngon ki sponsorisé man dou sponsor ngina man dingina eh, boro irto kay to wallahi to ni harande harande mhm. danga message fo adun niga niga samba dans voilà. message fondement niga ci ni won haran da haran da ira mm hayo ah, c'est parce que ay hay ay ay uh, mm, vidéo ira la plupart des vidéos ay wagi teno parce que vidéo cool kaite il faut que ma tabanya se amine wallahi wani ate ay ma publier wati kulu ayo wa kan kana sai gati imane hunkuna nan kul kan nigerian kwai imano image hanno hayadi akane gumo ase no yode ga video ite je prends soin il me se charwo il me se lamba lamba charga wodi yen kula gite la sensibilisation kay ga temo daran gune sur eh, ayte afo kwaye zaibo taba kan gonon son generation o kulgo sara masai gun da kwaye moize wala o wadin wo <laughs> matanon ne arabin de aine a'a ni bai kai wo ai koya do idi kan tabai zanodin kula go salangana sai ne hay ni ga tarai wo gangi sai wodi rayum bo ko ayi za zena no bo nan no to da folla binde aine aine manan gundin na ni bon sai din nan ni bon sai zama din nan wo wallahi ni no ga bai kan nan suba kai na din follow masi ta gani hawai ni ya sai wallahi ni ya wai kino nin ta zama tari san yan no wodin ya o me wodi sai no ayi wo je préfère mte ayi mo sensibiliser ma. ai babu radai a gai wono kai cimoci mm. irdi mm -hmm. nisalan kwa yabo mm. irdi mo nisal ai eh, ayi gaba kan bon nisala ayi gaba zama hun kun daran la sabu alboriyon gono wallahi to shi iga bahi ga bu gondon noru kan gana me inga bora suba da te de iswa <laughs> ni ga irko man tira you ya ni ni imsa me hato a <laughs> kimi ah, fa hmm. <laughs> to eh, bon, on va profiter de ta présence. improvisons ah, ah. Improvise-nous quelque oh, chose. il faut que eh, sõn zãn ka ye mm -hmm. wandi wandi kuko hannu to ayi gaba a si ba labari me don studio kalanguna ranga kame nodin no labari kul karan gaba tanke ina wani yau labari no nodin na ranga duwa me o wani din banga ka kalangu di studio kalangu ga ka gani ha wai wallahi labari wani na ba mu tonan kulu wallahi ga to da irkwata la ba a yarda ya dinga ni bumbo ni gaba kan dinga ba labari kano dinga ba nin tabbatan da halicin cin no kan manta tarihi kal studio kalangu kal kalangu to ir sabun mm. merci beaucoup mm. irgin fondo goy munu baba merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Espérons que vous avez apprécié cet instant avec, euh, avec nous d'abord et avec nos chers auditeurs. Excellente journée à vous. Merci. Merci. Hein. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Vous êtes bien sûr sur l'émission Le Niger sur Kalangou que vous écoutez en direct depuis Niamey à travers nos radios partenaires et en streaming sur notre site internet www.studiokalangou.org. Tout de suite, la rubrique hebdomadaire santé, sali Ce matin, le médecin nous parle de la sinusite, une maladie qui survient des suites de rhume. Ensuite, ensemble de, désolé, <laughs> excusez-moi, Rabi. Mhm. Ensemble, découvrons cette maladie avec le médecin généraliste Dr Abdul Rachid Issaka. Il est au micro de Zainabou Abdou. La sinusite, par définition, c'est une inflammation des muqueuses qui tapissent l'intérieur des sinus. Donc, quand on parle de sinus, c'est des cavités osseuses qui sont creusées dans les os du crâne. Donc, euh, il existe quatre paires de sinus. Chaque sinus communique avec la fosse nasale. Donc grâce à cette petite ouverture, le mucus qui est produit à l'intérieur des sinus euh, donc s'écoule euh, dans la cavité nasale et est éliminé par les narines. D'abord, la sinusite elle est aiguë. Quand elle est aiguë, donc elle dure euh, maximum 4 semaines, pas plus. Avec maximum 3 épisodes par an, pas plus. Donc au-delà de 4 semaines, donc la, la sinusite devient chronique. Comment se manifeste la sinusite Elle se manifeste essentiellement par des douleurs au niveau de la face, des sécrétions nasales soit jaunâtre ou verdâtre, une toux grasse, car les sécrétions nasales descendent au niveau de la gorge. Donc, euh, quand on racle la gorge, donc euh, il y a les sécrétions qui sont éliminées. Qu'est-ce qui explique la douleur au niveau du front La douleur faciale s'explique par l'irritation et l'enflement des sinus donc ils vont entraîner l'obstruction du canal qui permet l'élimination du mucus dans les fosses nasales. Donc maintenant ce mucus n'est plus éliminé, donc il y aura une sensation de pesanteur au niveau du visage. Qu'est-ce qui provoque la sinusite La sinusite aiguë peut être d'origine infectieuse ou virale. Et donc euh, le plus souvent, elle, fait suite à une infection des voies respiratoires supérieures, donc en, en cas de rhume donc euh, il faut noter que 0,5 à 2% des personnes ayant contracté un rhume vont contracter une sinusite aiguë. Et donc la sinusite, elle peut être due à une infection virale fongique ou à une allergie. Donc elle peut aussi être, elle peut aussi faire suite à, une, à un abcès dentaire, donc en cas de, sinusite maxillaire aiguë. Donc elle peut être due aussi à une déviation de la paroi nasale, de la cloison nasale. Et donc euh, après plusieurs, après l'installation de plusieurs épisodes, la sinusite aiguë peut tendre vers la chronicité. Comment se fait la prise en charge Le traitement peut être médicamenteux, donc il est essentiellement symptomatique. On peut administrer des analgésiques, donc comme le paracétamol, donc pour calmer les douleurs, les céphalées, les douleurs euh, faciales, un antihistaminique pour euh, calmer les symptômes liés à l'allergie, donc on peut donner de la desloratadine et aussi un décongestionnant en cas d'obstruction. Donc ça peut aussi soulager le patient. Donc on peut aussi administrer des corticostéroïdes en vaporisation nasale. Donc là aussi ça va réduire l'inflammation de la muqueuse. Si la cause est bactérienne, là aussi on peut adjoindre euh, des antibiotiques, des antibactériens, comme euh, une association d'amoxicilline acide clavulanique, que la sinusite aiguë peut évoluer vers une sinusite chronique. Merci Zainabou Abdou pour ce reportage instructif. Rabia à présent cap sur Maradi pour écouter le titre Bouger de Feu Sadoubouri accompagné de l'orchestre Carnaval. nous présenterons son lead, une grande figure de la musique nigérienne, le dauphin Saadou décédé le 6 juin 2008 suite à un accident de voiture au Nigeria. L'artiste commence sa carrière musicale dans l'orchestre Goriba de mahadi avant de rejoindre l'orchestre Carnaval de son oncle Feu Hassan Gaba. Avec l'orchestre Carnaval, il y connut la gloire et porta haut les flambeaux d'une musique nigérienne. Toujours en quête de son chemin, Sado Sadobori, de son vivant, avait beaucoup de fans en Maradi, dans le reste du monde et dans la sous-région. à présent pour notre écho des régions et on reste à Niami. Nous abordons dans ce reportage la question de l'automédication chez les enfants. En effet, cette pratique prend de l'ampleur dans notre société et c'est un phénomène qui a des conséquences néfastes sur la santé des enfants. Les détails dans ce reportage de Alamine Ouachar. L'automédication, c'est l'utilisation de médicaments par une personne sur sa propre initiative sans l'aval d'un médecin. Et cette pratique concerne beaucoup de personnes.

kanga dan da yam du dogo ne iga ba dai genga dai no gati anufa ba fo loktor yang safari ya hantum kan afo afo ba afo goite amma im odnon so to nan nin se kan so mat kan nigiti to odin zure se di bora katwa din ya D'autres parents sont conscients du mal que l'automédication pourrait causer aux enfants et ils attirent l'attention des autres sur la pratique. Dès qu'un enfant tombe malade, sur place, on tente de lui donner quelque chose contre sa maladie, sans pour autant avoir euh, au préalable l'avis d'un médecin ou bien de faire des examens pour bien pouvoir diagnostiquer sa maladie dan tana yi ka sai magani ka ba yaro shi tana yi ba cutar da aggare shi ba zai warkar ya kamata yara a rika kai su likita yana rubuto musu magani pour le médecin la pratique de l'automédication surtout chez les enfants est à bannir Ibrahim Jibo médecin pédiatre donne quelques explications. En effet, tout traitement médicamenteux hâtif chez les enfants peut gêner l'élaboration des défenses naturelles du corps humain, mais aussi ça va donner l'impression à l'enfant que les médicaments sont indispensables même quand il s'agit de troubles minimes. Les enfants ne sont pas des adultes en miniature, car beaucoup de parents partent chercher des médicaments ou bien prendre le leur, divisé en deux ou bien divisé en trois pour donner le médicament à l'enfant. Alors que quand il s'agit de prescrire un médicament chez l'enfant, il y a des médecins spécialistes à ce sujet. Souvent, la dose administrée chez les enfants dépend toujours de son poids, d'où les risques de surdosage pouvant donner des hépatites toxiques d'origine médicamenteuse. Et le premier médicament dont les parents utilisent régulièrement et en grande quantité, c'est le paracétamol. Le paracétamol, à lui seul, il est très hépatotoxique. Vous allez voir un parent prendre le doliprane ou le euh, l'effergan 1000, il va les casser en deux pour donner à l'enfant. Alors que le médicament chez les enfants son sont dose poids dépendants. Du coup, quand il s'agit d'administrer un médicament chez l'enfant, c'est toujours en fonction de son poids qu'il faut donner le médicament pour éviter ces conséquences. Pour une meilleure prise en charge en cas de maladie, les médecins recommandent de fréquenter les structures sanitaires aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Ce reportage est réalisé par Alamin Ouacha, rendu au studio par Nafisa Adamou Sirfo. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers, Chers auditeurs, nous poursuivons le rendez-vous du Niger sur Kalangou avec d'espoir. Soumana Amadou est avec nous. Bonjour Soumana. Bonjour à toutes. Voilà, Soumana, tout d'abord, nous allons parler de football de chez nous avec la Super League. Oui, la Super League de football du Niger se poursuit à Niamey et à l'intérieur du pays et nous avons les derniers résultats de la 20e journée et le classement provisoire. Dimanche 28 mai 2023, l'AS Police a battu l'Olympique FC un but à zéro. Le Sahel Sporting Club s'est imposé sur Liberté FC 2 à 1. Actuellement, la l'AS Garde nationale est en tête du classement avec 39 points, suivi de l'AS Police, 36 points. La troisième place revient à la douane de Niamey, 31 points. En bas du classement, la Kokana d'Arlit, 13e avec 16 euh, points. Et enfin, 14e, le Jean FC de Maradi, 12 points. Souvent, en passant à une autre discipline, le World Taekwondo se déroule en ce moment à Azerbaïdjan. C'est où <laughs> J'espère que je n'ai pas mal prononcé. Et, le Niger participe à, cette compétition. Effectivement, le championnat du monde de taekwondo a débuté lundi à Bakou, en Azerbaïdjan. Le Niger est représenté à cette compétition par six athlètes qui sont Abdelrazak Alfaga, plus de 87 kg, Maman Nour Subkaou, moins de 63 kg, Nouruddin Isaka moins de 58 kg, Aboubakar Mange Gaya, moins de 114 kg, Mohamed Maharana, moins de 54 kg, et Zara ou moins de 46 kg. Nouruddin Isaka a fait une bonne rentrée, une bonne entrée ce matin avec sa victoire contre un Philippin qu'il a gagné au premier round 8 à 4, au deuxième round 14 à 3. Son deuxième combat l'a opposé à un Bulgare. Et c'est toujours notre euh, ambassadeur, Nouroudine, qui a gagné au premier round 10 à 3 et au deuxième round 11 à 8. Il reste à Nouroudine Isaka Garba à gagner trois autres combats pour aller à la finale de sa catégorie. Ben, nous souhaitons bonne chance. Hein. Bonne chance à tous nos <laughs> athlètes. À tous nos athlètes. Voilà. <clears throat> Salamatou, à présent, c'est l'heure de notre portrait et nous allons à la rencontre de Jabiri Ahmed. La trentaine est un commerçant au marché de Katakou, un des plus grands marchés de la capitale. Malgré son bac en poche, il a choisi cette activité au détriment de poursuivre ses études. Portrait à suivre avec Oumou Oumarou. katako maru 2012 ayi wani yara kwa yan da yan da kan iga farda dai kwa ya da mai zai kuyan nigite nigila sabu no ni ba funa matkano nigate da ni na sana'ati bon dindi kan sana'a fadin sigi fahamda to fo dole ma bar mai masne kal gingingin kan mu gora parce que din gora bon nigin mo tabandi asiti mais agenge tedin san abar me nigu duwara do kai to so ifo to fayin kan di wato ne rando kan til so wono gana mo fayin ko asiya parce que din da sana asinte sana afo yango gona kan a par sinte ne parfinil tan. donc wani seno ay mo kan ai ne ko posentin agogate ay di a anaitan ai barmai wasu su zai man to ganda donc fɛn ka dai no sene kul ay na fira fa kasan yabir zakani kani ka kaso

ligo gati a e pi lokacin gonu mono dubo to aga mono na fam wala ne di kan wallahi ni singin ba funa ta mata hifo goni sai ba rana kwa ba no te kan ni woni zaga cokali to baka ga kun kunni go kata ko ganira kalma yan mat no te goyno ni te tinman du kan ne wodira a ah, just ah, zangai chwazir deno ai ba funa ra ko masikane sai ne ba zai go to kuma su sai ne parce que wani lokacin duk duk ba kansa ai kaga talle gine gine yan kwa na ko woni zanon no kuma su kane sai no ba su yi dikan kuma su tan ke bor fam da burgin ginki ba fune ni stabi to san jabi ifo ta ce kan ke futta su in kunnin ko university bore e, e, yin no gon kan hun igo te medicine class marje ne dike igo igo te shap shap ya kin dai essence ne igo ne ra kin dai shayi ni go ganer at sare pa adame zai gon kan dir ko ban kodri se tabi ngino gimgi bon tabandi sina singital tal bor nim tal bor mene se goy to yen se gan goy me haba kutta jo dol nim nim kai ko goy me tan ni ban ba fana bor des ban ba fana bor mo ko kan ke jirbi Merci Oumu Oumoru pour ce portrait rabi pour notre dernière balade musicale d'aujourd'hui. Nous irons dans le nord du pays pour une bonne dose de guitare avec euh, Jamin 22 Bambino. c'est bon, tu as, retrouvé ton souffle. <laughs> je voyais Kader, il s'enjaille de l'autre côté de la vitre. <laughs> je te jure, Bambino, il te fait sentir un peu Touareg, au fait, euh, quand tu l'entends. <laughs> à présent, faisons place au desk euh, femme du studio Kalongo pour le lot du jour qui nous parle de l'importance de la consultation médicale des nourrissants, car elle permet de diagnostiquer de quoi ils souffrent et de traiter avant toute complication. Écoutons les discussions du desk des femmes du studio Kalongo dans ce loti. Let's see. pas Loti. Loti. dange dange izo ga bani mu nanuno to kai amin ga hamo lele kai na fu mata kankani safi ifo no gotewo ni izo no gohin ya ci ne wallahi za ta raina gomara ga hmm. rukaya wallahi ni didayya ai su bai hankan mara sai a goga hin sintina ga mil ba a gaba mu nanuno amma ni ji a wangi gaba fafadi yadin mono a si girbi hunkuna ce ba girbi hinza girbi hinza a ba safiya ko yin mon konda lokta gaido tali kunno saga don yi mara ai ga hamura ah, guna ga hamo si koronbo zankatarai yanyai daino gaga a ah, nin wo lokta no kan ni bai kan haikul saga ha wani mil ba zan da daga hamo ko gam ni bai kasin da bani haye wo dumi karan ga teno gana zanka bobo go ga dibo ne wallahi zama aran kwanda im dilok lokaci ba. hey roki kyawen kuko kan te gogin ban wa bara fa watu kulu ni wo kalde hankam man no ni gici aine ni sitali kunno sai ga. to wane wa amma ba to ba mu kuku kukute nim dube kan wallahi ku gugu tabi ha daman ta di ifo sago da yin heza gayya ya dinga daman ta ninga mu feri ni a ah, mama aine no go ya cinno ni gaga da kalamu marai wala ha'a nimo ni bai kan at ya ya sala. <laughs> ah ni bai nga ya dinga da haifo duwa kulni talino hey ruki ni sintin ga hamburan difa to da goga he ga hamo sikoran ifo no gaga hey ko ciwo dangai dangai si he nimo ifo he ni rano ni gaise ya cine to wallahi ai mistagin si tafiya ai sibe an kan goni izo ga amma a gihinga te kan wallahi dori fono kan gihinga lala diman di hankan no suka ima safa ya dinga lokaci to kai mun kwanda am di loktagai irla kalmu do kanisi to mata da gitte roki fa'i fa ba mata no ai gittase gune wani mantu lokaci no kan him gihi wasi wasi ko ciya san buga hampa ainihin dum loktar kwa ga bisa Uh, madam kangir gune konkons banda niko ciyawo gin kubo doro no gaga musu jota madam doro sintinano ne wo irgin gasa jau sonda sonda dai irga hakoi daran izo dirko ba e irkwai <laughs> ai izo sindu ba nai magogoran da fu <laughs> dangai ne ma wani mun ta yi kulno ik ba sai so ni ma loktora ne hay kul manduwa mun ta yi fono kan lala gumo ya dinga igidu ga safar ni lakal kanandi wallahi ruke ai sabu ni sai gumo da man tini don matano ai gite ai bai kan don da ta girbe haya ga lala ga bisa ba mutukan gune wani amantonim ne sai ni sabo laifu Ikim ga hagwai dik zankai kan sin gisalan atkiriyai zan buga singin wafe gi musu kufa amci nan kan gudogin giga ya dinga duk diya ifo iga kan ga igla kale man kani ighim go wasu wasu dai iloktor kwarado mu dugu dori kulkan no ma bonza nan ruki aigu wadin lakkalote koi nemo aigai gorga sinai lakkalai candi hankan gati ingai wani izai sagayen wodo kai ne wa ruki aigo koi ga babo ke ga kiyasi hankan gogate C'était là le loti euh, de l'équipe femme du studio Kalangu, un loti de plus en plus inclusif. Suivons maintenant Maman Ada pour la culture linguistique. Et aujourd'hui, nous allons parler du chapeau traditionnel de paille tressée. Il est réalisé à la main avec les feuilles du palmier d'Oum appelé en Zarma, Bonfondou ou Malfa en Hausa. Bonjour Maman Ada. Bonjour Abi. Oui, effectivement, nous allons parler aussi de, de Malfa Hulakaba. Aujourd'hui, nous allons parler du chapeau traditionnel de paille tressée. Il est réalisé à la main avec euh, les feuilles de palmier d'homme appelées eh, bon, fondu en Jarma et Malfa en Hausa, comme tu le disais. Mhm. Eh, la forme, la taille du, et le matériel diffèrent selon les pays. Celui du Niger est tissé généralement sans couleur avec euh, un bord très large qui protège du soleil avec une bordure de couleur verte ou rose foncé. La couronne, c'est-à-dire la partie centrale du chapeau, épouse parfaitement la forme de la tête. Eh, dans la société traditionnelle du Niger, les chapeaux de paille occupent une place de choix particulièrement chez les paysans et les personnes qui travaillent sous le soleil, mais certains l'utilisent à des fins statistiques euh, comme accessoire. Mais aujourd'hui, on le trouve dans, le mode, euh, dans la mode nigérienne avec euh, quelques touches modernes pour la aux tenues. eh kamar da hausa ana cewa hulaka ba ana samun ta a ko'ina ba ko'ina a inda ake aikin garaki musamman mutane suna amfani da shi domin kare kansu da rana idan suna aiki ba ake cewa ita ce muke ake sawa kuma hulani a ba hila ni kadai ba ba hilla ni kadai ba suke sa dukkan kabilu a Niger suna sanya hullaka ba ko ina ana samun hullaka ba ba ko sai fulani kadai ba a'a mm. Merci Maman Ada pour ces éclaircissements. Chers auditeurs, auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, Hausa, Germain, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Je répète 82 89 89 64. Rabbi, il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. Je réponds au nom de Haroun Bolmoiseni, euh, surveillant général à la retraite à Balaya. Je suis presque régulier vraiment pour les émissions de Kalangou. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans les émissions de Kalangou, c'est tout le cadre du droit là. Droit, le devoir. Parce que quand on parle de devoir, c'est qu'il y a de droits. J'ai fait la découverte de Kalangou il y a des années à travers euh, notre radio locale que nous avons ici. alors, après ça aussi, quelqu'un m'a facilité aussi l'accès à Kalangou. La petite sœur, Mme euh, Madame chronique juridique. Mes salutations vont à un de mes amis aussi des conseils pédagogiques ici et est présentement à Filingué. Salutations vont aussi vraiment à l'ensemble du personnel de la radio d'Alol euh, Baleara. Nene ne hassan muhammad tayar dijan dogon dutse bisa ga haraka ta studio kalangu mu gaba ta kai mu faduwa ta zo daidai da zama me yasa ni ce hakan ga gaskiya duk emission da suka yi ka gani sun ɗebe haki su haɗi da horanci su haɗi da hausa su haɗi da zaranci su haɗi da hillanci su haɗi da buzanci alhamdulillah kuma duk abin da aka cikin niger studio kalangu in baka saurari na an zarkin nan ba midi ka saurari na disatar sabon duka kowane labari kana samu kuma surtu labarin da ga ƙara matsamin saurari cikin studio kalangu sensibilization waye kai kuma da bisa ga haraka ma'aikata hannu suna interview suna kula da ma'aikata hannu da yawa gaishe gaishe eh, ina gaida umar ali president club eh, murya arewa dogon dutse ina gaida duka 'yan club na karkara dogon dutse kama da argum da keshe da lillato tagwan da rijiyar samuna kai duka dai alhamdulillah matankari lahiya duk ina gaishe su sai bubakar mai gudu mayar da la commune urbaine da dogon dutse. c'est que nous qui sommes ici à l'intérieur, nous n'avons pas de disposition, par exemple, comme la télé nationale ou la radio nationale. Donc, euh, c'est curieux que qui porte loin nos voix. Et donc, euh, pour ça, vraiment, nous les remercions parce que certaines de nos activités ou de nos actions sont vraiment diffusées à travers Studio Kalangu et ça donne un caractère national à, euh, ces, activités-là. Donc, vraiment, pour nous, ça, c'est très important. aussi, il y a des, le choix aussi des thèmes qu'ils débattent. Parce que nous nous enrichissons des autres émissions de Studio Kalangou qui sont faites dans les autres localités. Donc ça, c'est comme un échange d'expérience à travers le Studio Kalangou. Et donc pour ça, je trouve que c'est vraiment très, très important. Chers auditeurs du studio Kalangou pour le journal de ce soir, nous vous invitons à suivre Nafisa Sirfo elle est là avec nous pour les titres de ce journal. Bonjour Nafissa. Bonjour Abi, bonjour Salamtou. Bonjour Nafi. À la une de nos auditions de ce soir, un véhicule transportant des migrants qui tentent en route vers la Libye a sauté sur une mine, faisant deux morts et plusieurs blessés. Des précisions sont à suivre cet après-midi. Une dizaine de journalistes de six régions du Niger suivent à Niamey depuis hier une formation de cinq jours sur le fact-checking. On en parle également dans nos journaux de ce soir. Et le magazine Espace Femmes mettra l'accent sur les consultations prénatales dans les centres de santé d'Arlita. Rendez-vous à partir de 17h. Merci, Nafi. tout à l'heure. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Salamatou Kadri et de Rabia Meikano. Le rendez-vous demain pour un autre numéro. Excellente journée à vous.